le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio Fidèles auditeurs et auditrices, merci de nous rester fidèles. Le forum du studio Kalangu, c'est l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. « Objectifs, processus et moyens de mise en œuvre de la politique foncière du Niger, c'est le thème du forum de ce soir. Quels sont les principaux défis que pose la gestion foncière au Niger Quels sont les objectifs spécifiques de la politique foncière en cours d'élaboration au Niger Quelles sont les étapes clés du processus d'élaboration de cette politique foncière du Niger Quels sont les moyens de mise en œuvre de cette politique Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons le plaisir de recevoir comme invité Jibo Bagna, président de la plateforme paysanne du Niger et Madame Hima Fatima, secrétaire générale du Rassemblement démocratique des femmes du Niger. Et nous avons également invité pour cette même émission le Comité national du Code rural. Euh, aucun représentant de cette structure n'est présent avec nous en ce moment. Pour la présentation, c'est moi Alassane Kouzi Mahmoudou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le forum d'aujourd'hui qui a pour thème, je l'ai annoncé tantôt, objectif, processus et moyens de mise en œuvre de la politique foncière du Niger. Parmi les richesses dont l'homme a hérité depuis la nuit des temps figure la terre. Les activités agricoles, sylvicoles et pastorales y sont exercées. Les modalités d'accès ainsi que les conditions de leur utilisation sont déterminées à travers la législation coutumière ou nationale. Ainsi, dans une perspective d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de sécurisation foncière, de prévention et de gestion des conflits liés aux foncier rurales, il existe des textes législatifs et réglementaires entre autres textes, l'ordonnance numéro 93-015 du 2 mars 1993 fixant les principes d'orientation du Code rural et en février 2018, se sont tenus à Niamey les États généraux du foncier rural pour faire le bilan des 25 ans de mise en œuvre des principes d'orientation justement du Code rural, ainsi que les différents textes subséquents régissant l'accès au foncier rural. Ce sont ces États généraux du foncier rural qui ont lancé les jalons d'une véritable politique foncière nationale, visionnaire et fonctionnelle. Le Niger a désormais un projet de politique foncière qui a pu être élaboré. Ce projet a été validé au niveau des acteurs non étatiques les documents se trouvent maintenant dans le processus d'adoption au niveau du gouvernement. Monsieur Jubobania, je le disais, président de la plateforme paysanne euh, du Niger, pour commencer, quels sont les principaux défis que pose la gestion foncière au Niger En tout cas, les questions liées aux défis de la gestion des ressources naturelles euh, sont multiformes, euh, sont diverses aussi. il, faut se rappeler que la question des ressources naturelles, d'abord, fonde sur euh, la question de la terre. Mm-hmm. Alors, euh, comme vous l'avez rappelé, le Niger s'est très tôt doté des principes d'orientation du, du code rural qui ont permis de laisser les bases d'une gestion concertée des ressources naturelles. Et ça depuis 1993 hein? Oui, en 1993. Mm. Et comme vous l'avez dit, mm. dans ce document, il a été question de faire un regard et de, canaliser un peu la gestion de ces ressources naturelles. Parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir que la, question d'accès aux ressources naturelles a opposé des acteurs dans notre pays et qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de malheureux. Euh, c'est les questions liées euh, entre les conflits entre agriculteurs et éleveurs, les conflits liés entre agriculteurs, agriculteurs, les conflits liés entre éleveurs, éleveurs, mais les conflits liés entre l'État et les usagers. Donc il y a véritablement tout un multiple euh, de conflits que nous avons connus. Alors c'est pour cela que donc euh, ces ressources-là, par rapport à leur gestion, il a été décidé de créer l'ordonnance. En dehors de ça, il faut reconnaître que nous avions plusieurs mécanismes de gestion de ces ressources naturelles nous avons la législation, nous avons tout ce qui est traditionnel, la ouais. chefferie traditionnelle, mais nous avons aussi eh, la loi islamique, parce que mhm. certains aussi, c'est à travers l'islamique euh, qu'ils règlent leurs différends. Alors donc, le fait d'avoir une multitude euh, de mécanismes de gestion rend la chose aussi très compliquée. Et à ça, il faut reconnaître que le, le, changement climatique aussi est venu aggraver la situation. Il faut reconnaître que dans le temps, la question de la terre, bon, la terre n'était pas une priorité, ce n'était pas une préoccupation. Alors, mais depuis un certain temps, la terre est devenue comme une marchandise parce que bon, euh, tout le monde a compris que tout se joue au niveau de la terre. Alors donc du coup, nous avons euh, connu l'avènement des accaparements de terres, hmm. où vous avez des, investisseurs qui sont venus sous le couvert euh, des locaux, ils ont pu accéder à des terres avec des facilités. Hmm. Nous avons connu aussi euh, des députés qui ont pu avoir avec leur robe de député se procurer aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de terres. Nous avons connu des opérateurs économiques. Bon, il y a véritablement des politiciens qui se sont accaparés véritablement des terres et ça a déstabilisé un peu le système. Et c'est tout cela, c'est le bilan des 25 ans de mise en œuvre de ces de, de, Oui, naturellement. Euh, bon, c'est-à-dire le bilan, les 25 ans euh, de mise en œuvre de ces principes d'orientation ont permis de faire un regard sur l'ensemble de ce que j'ai dit. Hmm. Qu'est-ce que la mise en œuvre des principes le, le premier élément qui est ressorti, c'est que le Niger a assez avancé sur les documents. C'est-à-dire en termes de législation, le Niger s'est doté véritablement de beaucoup de documents. Mais c'est au niveau de la mise en œuvre que le bas a blessé. C'est là où on n'a pas pu en tout cas rendre opérationnel hein, les décisions ou les décrets qui ont été euh, en tout cas euh, adoptés par l'État nigérien. Hmm. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, on s'est rendu compte le fait d'avoir une multitude de mécanismes, de, règlement des conflits aussi, au lieu de régler les conflits, a encore accentué euh, les, conflits. Mm. L'autre élément que nous avons euh, analysé et que d'ailleurs l'analyse a, ressorti, c'est que l'environnement aussi a changé. Alors, du fait que l'environnement a changé, du fait que le changement climatique aussi est intervenu, du fait que la population a augmenté, du fait que les villes ont augmenté, du fait que la démographie, tout ça aussi a fait, le chef a augmenté, a fait aussi que la question foncière est devenue une vraie préoccupation. Parce que tu vas voir aujourd'hui, Niamey, qui, qui ne couvrait que peu de superficie, aujourd'hui vous quittez, vous prenez en tout cas en allant vers, euh, vers jusqu'à Hamdallah aujourd'hui, c'est presque Niamey. Hmm. Vous allez vers Tilabiri, c'est presque la même chose. Vers en ainsi de suite. Et, et, ce n'est pas seulement Niamey. Vous prenez la plupart de nos, de nos grosses villes aujourd'hui, ça commence à phagocyter, ça commence à prendre des terres. Alors, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en dehors que les villes se sont agrandies, la population a augmenté. Euh, en, en 93, peut-être qu'on était une dizaine euh, de, millions d'habitants. Oh, Aujourd'hui, on tourne d'une vingtaine de millions d'habitants. Donc tout ça a rendu aussi la, la, situation très compliquée. Vous prenez le Cheftel. Aujourd'hui, on est des centaines de millions de têtes. Donc ça aussi, ça a besoin de terre. Alors, vous avez aussi les inondations, vous avez aussi la désertification qui avance. Donc tout ça rend la chose plus compliquée. D'où la nécessité... Parce qu'on a une augmentation de l'autre côté de, la population du cheptel et de ce côté, on a un amaigrissement, entre guillemets. Euh, tout, à, tout à fait. Quand vous, regardez euh, la, zone soudanienne, elle, diminue de jour en jour parce qu'il y a le désert qui est en train mm. d'avancer. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à valoriser ce désert-là. Mm. Donc du fait que là où on pratique les, activités agricoles diminuent, du fait que la population augmente, du fait que le, le, augmente, du fait que la démographie augmente, du fait que les villes grossissent. Alors donc tout ça rend la chose plus compliquée et oblige l'État, en tout cas, à se doter d'un autre mécanisme encore plus actuel et avec des acteurs, parce qu'il y a des acteurs aussi qui sont apparus. La décentralisation. Lorsqu'on avait en 93, il n'y avait pas la décentralisation. Aujourd'hui, il y a des acteurs aussi qui sont appelés à, gérer, les ressources naturelles. Vous avez des communes, vous avez des conseils régionaux, vous avez des gouvernorats. Alors, donc, tout ça là aussi, il faut tenir compte de tout ce changement là pour qu'on adopte Hein, un nouveau visage, on adopte une, un nouveau document hein, qui permette en tout cas de gérer au mieux les ressources naturelles, qui cadre un peu avec l'environnement, mais qui cadre aussi avec l'institutionnel. Oui. Et donc, c'est cela qui a débouché à, cette, cette, œuvre commune, notamment l'élaboration d'une politique foncière. Oui, c'est-à-dire, euh, ce qu'il faut rappeler avant d'élaborer la politique, donc juste après euh, les États généraux, l'État du Niger a créé un comité national qui est chargé d'élaborer la politique foncière. Alors, ce comité-là est composé de l'ensemble des acteurs du Niger, c'est-à-dire il y a les représentants de l'État, il y a les représentants des organisations de la société civile, mm. il y a la recherche dedans, il y a les partenaires au développement, tous les acteurs, le secteur privé, tout le monde, la chefferie traditionnelle, tout le monde, hein, on a mis un comité national Hein, qui est chargé d'élaborer cette politique euh, foncière. Après avoir élaboré la politique, le, comité national s'est scindé hmm. en sous-groupes. Hmm. Alors, ces sous-groupes-là étaient chargés de réfléchir sur les questions institutionnelles, hmm. de voir l'ancrage, mais également de voir comment faire euh, un document consensuel, un document qui prend en compte euh, la notion de changement climatique, un, document qui prend en compte les questions des jeunes, les questions des femmes, qui prend en compte le développement du secteur rural, qui prend en compte la gestion de l'eau, qui prend en compte en tout cas tout ce qui avait été euh, dans l'autre document, mais tout ce qui a été observé comme défi a été intégré dans ce document. Mm. Alors, l'autre travail du comité, c'était de faire des ateliers régionaux pour d'abord expliquer aux gens le processus, après avoir expliqué le processus, de recueillir les gens à partir déjà des états généraux. Hmm. Est-ce que ce que les états généraux ont identifié, est-ce qu'il y a encore des choses qu'on a oubliées hmm, Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mal dites Est-ce qu'il y a des choses qui méritent d'être améliorées Alors, on a fait des rencontres sur l'ensemble des huit régions du Niger. Hmm. Au sortir, on a élaboré ce qu'on a appelé un premier draft. Et ce premier draft-là, on a organisé un atelier nous, en tant que société civile, pour que nos organisations puissent se prononcer par rapport à ce qui a été fait mm. et qui a capitalisé le résultat des différents ateliers. Mm. Après ce travail-là, ce document qui a été produit a fait encore l'objet hein, d'une concertation. Et on a renvoyé ce document au niveau de la base pour que les gens puissent se prononcer. Et, tout cela pour avoir une, adhésion, un certain consensus autour de oui. Oui, en fait, l'objet de ces rencontres, parce qu'une politique euh, euh, foncière, engage l'ensemble de la nation. et surtout que c'est une première. Euh, surtout, et, donc, ça a nécessité à ce que tous les acteurs soient impliqués, à ce que tous les acteurs puissent se prononcer, à ce que tous les éléments, en tout cas, euh, de, la politique foncière soient pris en compte. Et c'est ce qui fut fait. C'est ce qui a été fait. Après donc euh, ce travail, ce que nous avons fait, c'est que ce document a fait encore l'objet d'autres ateliers spécifiques. On a fait des ateliers avec les chefferies traditionnels. Il y a eu un travail avec un certain nombre de ministères. Il y a eu un travail avec les acteurs de la société civile. Hmm. Et c'est après tout ça hmm. que ce document hein, a été renvoyé encore au niveau de la région pour s'assurer que les, toutes les observations ont été, prises, en, compte. Alors, et c'est à partir euh, de ce travail, accompagné par trois consultants d'ailleurs, avec un consultant international et un facilitateur, nous avons pu sortir le draft zéro. Et ce draft zéro-là aussi, après avoir été euh, analysé par le comité technique, après avoir passé en revue l'ensemble des observations, ce document a été validé par un atelier national. national. Donc, à la date d'aujourd'hui, ce document a été, en tout cas, a suivi tous les processus, nécessaires. Et il a été validé par l'atelier national. Bien. Nous allons donner la parole à Mme Hima Fatima, qui est le secrétaire général du Rassemblement démocratique des femmes du Niger et également partie prenante de, ce processus, euh, voilà, qui vient de Elle est présidente d'une des commissions. Bien. Madame Hima euh, Fatimata, bonjour. Bonjour. Euh, peut-être euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler en matière du foncier au Niger, quelles sont les principales préoccupations des femmes Merci bien Studio Kalangou de nous avoir donné la parole. Effectivement, comme vous le savez, le problème foncier est bien crucial au Niger, mm. surtout en ce qui concerne les femmes. Mm. Pourquoi Parce que les femmes, il y a un pourcentage de femmes qui excellent dans la production agricole et puis pastorale et, même halieutique. Mais euh, le problème, c'est que les femmes n'ont pas accès à la terre. Mm ce problème-là, il existe et il, est il a toujours existé et il continue toujours d'exister. Mm. donc, euh, quels sont les problèmes Pourquoi Parce que en matière d'héritage, le Coran donne euh, deux parts à l'homme et une part à la femme. Mm. Mais avec tout ça, là, mm. les frères, euh, ils préfèrent garder tout ce qui est terre, tout ce qui est terre parce qu'ils pensent que la femme, elle va aller donc dans une autre famille. Et tout ça, là, ne tient pas. Puisque nous sommes tous des religieux, le Coran donne ce droit à la femme, il faut que ce droit-là lui revienne. Parce que si les, hommes gardent la terre, mais après, ce sont leurs enfants qui vont hériter. Les enfants de la femme ne vont plus hériter. Donc, si on comprend bien, le problème ne se situe pas au niveau du partage euh, qui a été... Euh, euh, prescrit par, par l'islam, mais plutôt au niveau de l'application par les hommes. Effectivement. Où on pense que la femme n'a pas à avoir une terre, on lui donne d'autres biens en, substitution c'est ça Alors que le monde a évolué. Et donc euh, maintenant, tout le monde sait que la terre prend de l'ampleur, elle prend de la valeur. Et même en cas de divorce, quand une femme divorce, elle se prend en charge. Parce que dans le temps, cette idéologie, elle existe parce que les frères, ils prennent en charge la femme et ses enfants en cas de divorce ou en cas de pépin. Mais actuellement, les, temps ont changé, le modernisme a changé les idées, donc ce qui veut dire que tous les droits euh, la femme doit avoir tous les droits qui lui étaient attribués par le Coran et par la législation. Mm. Ah, mm-hmm, ensuite, la femme n'a pas les moyens pour acheter et donc la terre. Mm. Donc là encore, c'est un autre volet. Mm. Mais je pense que la politique euh, foncière, elle a vraiment pris en compte tous ces, tous ces défis. C'est la question qu'on allait vous poser. Est-ce que tel que le processus, vous, vous avez participer. Et je Bogna a rappelé même que vous êtes euh, présidente d'une des commissions. Euh, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la politique foncière, le draft zéro qui existe aujourd'hui, prend en compte suffisamment ces préoccupations Effectivement. Donc, euh, je suis la présidente de la commission suivie des recommandations des États généraux. De 2018. voilà. Mm. Donc, je suis la présidente de cette sous-commission. Effectivement, donc, nous avons suivi l'évolution de ce draft zéro de la politique foncière. Effectivement, il faut dire que les femmes se sont battues aussi. Hmm. Et donc, euh, il faut que je fasse un peu l'historique. Donc, euh, dès au, niveau du draft zéro, le RDFN euh, s'est porté comme leader pour pouvoir mobiliser toutes les associations féminines autour de ce document. Nous avons fait plusieurs. Si vous voulez bien, si vous voulez bien, Madame Hima, nous allons revenir par rapport à ce qui a été votre contribution. Mais déjà, nous voulons savoir est-ce qu'aujourd'hui vous avez le cœur net, vous avez l'esprit tranquille qu'aujourd'hui, le draft zéro que vous avez de, de la politique foncière prend en compte euh, ces différentes préoccupations citées. Effectivement, nous avons le cœur tranquille, nous sommes, nous sommes vraiment tranquilles parce qu'on a pris en compte nos préoccupations. Quelles sont ces préoccupations Effectivement, parce que le, document de la politique foncière, il a, il a, pris en compte le problème d'accès à la femme au foncier, mm. et ce qui veut dire qu'on a mis, il y a des articles qui disent que l'État doit recenser tous ce qui revient à, l'État. Et en, partageant ces terres, l'État devrait au moins consacrer 30% de ce portage aux femmes et aux jeunes. Hmm. Et là, c'est sous forme d'une manière gracieuse, donc euh, pour les associations féminines, les groupements féminins, si vous voulez. Hmm. Ensuite, euh, on a protégé aussi la femme. On a, il y a un, autre article qui protège la femme qui dit que hmm. en cas de possession commune entre la, euh, la, femme et son mari, mm. la femme a la possibilité, euh, c'est-à-dire le mari n'a pas le droit de vendre euh, soit la terre, soit la maison, soit le champ sans, sans consultation, mm. mais en cas de possession commune. Mm-hmm. Donc là, c'est une ouverture, c'est encore une protection pour pouvoir protéger la femme. Mm. Parce qu'on a vu des maris qui vendent les maisons et c'est le jour où le propriétaire de la nouvelle maison vient faire sortir la famille que la femme se rend compte que la maison a été vendue. parce que en cas de divorce pour cette question d'héritage de, d'héritage où souvent on pense que euh, tout se partage entre les hommes. Euh, est-ce que quelque chose a été prévu à ce niveau Donc, de toutes les façons, dans le cas de l'héritage, euh, on ne peut pas faire exception à ce que le Coran a dit. Mm. Nous sommes dans un pays musulman. Donc, on qu'on a mis des garde-fous pour que euh, les textes de loi, que ce soit les textes euh, euh, juridiques, que ce soit les textes religieux, soient appliqués. Donc on a mis des garde-fous pour ça. Donc c'est déjà bien. Bien. Nous revenons à vous, Monsieur Djibobanya. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que la politique foncière va changer si elle venait à être mise en œuvre En fait, maintenant, le, le, c'est que faire un document, c'est une chose adopter ça encore, c'est une deuxième chose, parce que nous savons que euh, ce qui pose plus de problèmes, c'est au niveau euh, des entités où on doit valider le document. Mm. Donc le document doit passer au niveau euh, du comité chargé de la mise en œuvre donc du principe d'orientation. Mm. deuxième niveau, c'est au niveau du gouvernement. Troisième niveau, il doit aller au niveau du Parlement. Mm. Et on sait qu'à tous ces niveaux-là, il y a les gros accapareurs là, euh, ceux qui ont beaucoup de moyens, ceux qui ont la gueule, peuvent intercepter ce document pour pouvoir bloquer. Donc mm, nous mm. allons nous battre d'abord pour que ce document soit euh, adopté. Mm. Le deuxième élément, ce qu'il peut changer, c'est que cette fois-ci, le document a été le plus largement discuté nous avons essayé de regarder et nous avons pu mettre des éléments qui sont importants pour nous, en mm. tout cas pour les petits producteurs. Nous avons fait en sorte que la politique foncière puisse protéger les petits paysans, mm. c'est-à-dire l'agriculture familiale. Mm. Et nous avons veillé à ce que ce document, cette politique-là, vise la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Parce que tant qu'on ne protège pas le foncier, tant que le producteur n'a pas la garantie qu'il est propriétaire, qu'il peut investir, qu'il est sécurisé. À, ce niveau aussi, il y a des problèmes. Alors donc, le fait que le producteur va être sécurisé, mm. on pense que c'est un élément déterminant. L'autre élément, c'est que ce document prend l'ensemble des segments du développement rural. C'est-à-dire, il prend le volet agriculture, le volet élevage, le volet halieutique, mais également, comme elle l'a dit, ça prend aussi les questions des jeunes et les questions des, femmes. Et même les couches vulnérables, on a essayé quand même de prendre en compte ces euh, couches vulnérables. Nous avons eh, essayé d'intégrer aussi les questions des cuvettes, mm. les questions des îles. Donc tout ça, c'est des questions qui n'étaient pas réglées dans, le document. Cette fois-ci, nous avons fait en sorte que la politique aussi, elle tienne compte de la cohérence. Parce qu'en dehors... La cohérence avec quoi malheureusement, euh, bien qu'on avait les principes d'orientation, il y avait des politiques sectorielles. Donc, vous avez la politique de l'eau, vous avez la politique de l'environnement, vous avez d'autres politiques, mais qui ne, qui, ne prenaient pas, qui ne se reconnaissaient pas dans les principes. Mais qui partaient dans tous les sens, en fait. Voilà. C'est-à-dire, un ministère se réveille et il, il fait euh, une loi qui ne, qui, cadre pas avec les principes. Pourtant, qu'il y a des impacts, qu'il a des effets, qui peut avoir des, effets sur... en cause d'autres acquis. Alors cette fois-ci, nous avons fait en sorte que la politique foncière soit le cadre fédérateur de l'ensemble des politiques qui gèrent le, le, secteur rural. Donc, la cohérence, nous avons tenu compte. L'autre élément, c'est que euh, nous avons fait obligation à ce que les ministères sectoriels puissent se conformer donc à la politique. Donc chaque fois, il va faire référence pour éviter de remettre en cause des acquis dans euh, la politique foncière. Et nous avons aussi fait en sorte que la politique foncière soit euh, alimentée par l'ensemble des groupes d'acteurs. Mhm. Donc ce n'est pas seulement l'État qui va garantir euh, la, mise en œuvre de cette politique, mais il y a un mécanisme de veille. Nous avons mis en place un système de veille qui va alerter l'État. Hmm. Et dans ce document-là aussi, l'autre nouveauté, comme elle l'a d'ailleurs rappelé, c'est que cette fois-ci, l'État va identifier l'ensemble de, de ces terres. Parce que jusque-là, l'État n'avait pas identifié, c'est-à-dire, et c'est ce qui fait que les gens sont en train d'accaparer les terres qui sont en train d'être accaparées, c'est les, terres qui sont réservées généralement à l'élevage. Parce que toutes les terres réservées à l'élevage sont considérées comme des terres de l'État. Donc, du coup, c'est là-bas que les gens partent attaquer ah, et c'est là-bas que les gens vendent. Mmh. Donc, là aussi, on a pris soin cette fois-ci de sécuriser ça. Mmh je, pense que ça c'est... En faisant un inventaire. Oui, euh, on, a exigé à ce que l'État fasse l'inventaire. L'autre élément que que, que, le document là aussi, euh, surtout ce processus-là a, recommandé, mm. c'est le financement de la politique. Mm. Donc jusque-là, euh, les principes d'orientation ont fonctionné sous forme de projets. Mm. C'est-à-dire c'est toujours des projets qui alimentent, qui donnent les ressources. Alors, si un État veut avoir une politique foncière, tu ne peux pas fier ta politique aux ressources venant de l'extérieur. Mm. Parce que si l'extérieur n'amène pas les finances, ça veut dire qu'il n'y a pas de politique. Et, tant qu'on n'a pas une politique foncière euh, bien gérée, euh, bien suivie, c'est clair que nous allons toujours rencontrer des difficultés. Je pense que là aussi, c'est un élément euh, important, en tout cas, de ce processus que nous avons conduit. Ah, grosso modo, quels sont aujourd'hui les objectifs spécifiques à, cette politique Bon, d'abord, l'un des, en tout cas, l'objectif global, c'est de doter le Niger d'une politique euh, d'abord qui permet de sécuriser l'ensemble, euh, en tout cas de ses fils, ou l'ensemble de ses secteurs. Euh, c'est une politique dynamique. C'est une politique qui vise la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Mais c'est aussi une, une, politique qui fait en sorte qu'on aille vers un développement. C'est-à-dire, ce n'est pas une politique où on est ancré seulement sur quelque chose, nous ne voyons pas le développement, nous ne voyons pas la technologie, mm. nous ne voyons pas euh, le devenir, en tout cas, euh, de, de, de, de, nos arrières-enfants. Alors, donc, on y veille. Mm. Nous, nous, avons construit la politique à ce que elle cadre un peu la gestion des terres. C'est-à-dire, dans cette politique-là, vous allez voir aujourd'hui comment on est en train de faire le plan cadastral. Et on a tenu aussi du schéma d'aménagement territoire. Donc, cette politique-là annonce déjà que chaque région doit mm. se doter d'un schéma d'aménagement du territoire. Parce que si on n'a pas de schéma, ça veut dire que bon, il n'y a pas de gestion. La terre, elle devient comme un outil, elle devient comme un objet. Et là, on a vu qu'au niveau de beaucoup de régions, il y a très rares parmi elles qui, ont pu avoir qui ont ce schéma. Pour le moment, il n'y a que la région de Dosso qui s'est dotée d'un schéma d'aménagement euh, du territoire. Bon, je crois qu'il y a Maladi aussi qui vient de lancer euh, l'élaboration de son document. Donc, le processus a fait une recommandation forte, à l'État pour accompagner les régions mm. à disposer de ces documents qui sont importants parce que ce sont des documents qui permettent de cadrer, hein, en tout cas d'analyser un peu comment on gère ce foncier en faisant quand même une certaine répartition de comment, de, quelles sont les activités. Parce que si on ne fait pas comme ça, euh, la génération future qui va arriver ne trouvera absolument rien. Rien. Madame, euh, Madame Hima Fatima, euh, secrétaire générale du RDFN, le Rassemblement démocratique des femmes du Niger, quel est le regard que vous, vous portez par rapport à ces objectifs, en tout cas ambitieux, de, de la politique foncière ben nous, nous croyons vraiment en ces objectifs parce que ces objectifs, ils sécurisent la terre et ils donnent l'accès de, à, de, la terre à tout le monde pour un accès équitable des ressources. Et donc, et il sécurise aussi, euh, quelle que soit euh, la terre, qu'elle soit euh, une propriété personnelle ou bien une propriété de l'État, la politique donne des garde-fous pour sa sécurisation. Donc, nous, en tant que femmes, en tant qu'organisation défendant les droits des femmes, ça nous sécurise. nous, nous c'est notre objectif. Et parce que nous, donc, euh, si, si euh, les problèmes des femmes persistent, c'est parce que les lopins des femmes qui, euh, qui sont destinées aux femmes ne sont pas sécurisées. C'est sous forme de prêt et même sous forme de don. Même sous forme de prêt, s'il y a un papier qui dit qu'on donne le prêt pendant 3 ans, 4 ans, mais la personne n'a plus le droit de revenir avant ce délai-là. Et si c'est un don, encore s'il y a un papier qui sécurise ce don, donc la personne, elle est protégée. Donc vraiment, nous, tous les objectifs de cette politique nous nous agréons à, tous ces objectifs-là. Mm. Alors, je le disais tout à l'heure, effectivement, que vous avez pris part euh, activement au processus d'élaboration de cette politique. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi euh, déjà, vous l'avez évoqué, hein, le pourquoi, mais quelle a été véritablement votre contribution dans le processus en tant que représentante euh, de la féminine donc, euh, pourquoi j'ai participé activement à ce processus Parce que, effectivement, je suis la secrétaire générale du Rassemblement démocratique des femmes du Niger mm. qui défend les droits des femmes. Oui. Maintenant, quelle a été véritablement votre contribution Elle a consisté à faire quoi rassembler les femmes euh, Au niveau du comité national qui a été mis en place par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, je pense qu'il y a 44 membres. Dans ces 44 membres, je pense qu'on n'est que deux femmes. Mm enfin deux ou trois femmes. Hmm. Donc euh, moi, et, donc il y a le côté de la société civile. Hmm. Au niveau de la société civile, je pense, il y a quatre personnes, et à sept personnes, hmm. mais dans les sept organisations, il n'y a que le RDFN qui est représenté par une femme. Et donc, quelle a été ma contribution Donc, euh, pour que euh, la voix de toutes les femmes soit rassemblée et pour que toutes les femmes apportent leurs idées. Il ne faut pas que ce soit moi toute seule. Donc, à, mon niveau, j'ai organisé plusieurs réunions des, des, organisations féminines. Toutes les organisations féminines intervenant dans le domaine de la, du foncier. Ici à Niamey ou en région À Niamey d'abord. Mm. Donc, euh, on a commencé plusieurs réunions au niveau du siège du RDFN et on a projeté le document, on a recueilli les, les avis des femmes, mais ça n'a pas suffi. ensuite, euh, comme on a, on a impliqué aussi d'autres organisations, donc j'ai même créé un groupe qui s'appelle Initiative Femmes pour le foncier rural. Mm. Donc toutes les organisations que j'ai pu rassembler, euh, je, me suis dit il faut que leur donne et que je leur donne, ils donnent un nom et on a appelé ce groupe Initiative Femmes pour le foncier rural. Et donc dans, cette, ce groupe Initiative Femmes, il y a aussi euh, les représentants de la FAO, il y a aussi des représentants du ONI Femmes mm. qui étaient avec nous mm. et avec les consultants et d'autres personnes ressources euh, qu'on avait demandé qui se, qui se sont joints à nous mm. pour pouvoir réfléchir avec les femmes et puis nous aider à apporter notre contribution donc, comme l'ONU Femmes a vu que le groupe commence à prendre de l'ampleur, et l'ONU Femmes nous a demandé d'organiser un atelier national. C'est même une, trois, deux journées de, euh, de retraite. Mm. On a fait une retraite à Dosso et du 8 au 9 octobre passé. Mm. Et donc, euh, on a tout uniquement que les organisations féminines pour pouvoir apporter notre contribution par rapport à ce document. Mm. Et toutes les contributions des femmes ont été prises en compte dans ce document-là. Et vous avez le carnet comme je l'avais Voilà, effectivement. Et tout ça, là, c'est moi qui ai euh, organisé tout, ça avec la participation de quatre femmes parlementaires. Mm. Est-ce qu'il y avait des, est-ce que vous avez rencontré des difficultés oui, au début, nous avons rencontré des difficultés parce que euh, il y avait tout juste deux ou trois euh, euh, organisations paysannes qui étaient avec moi. Donc, pour pouvoir identifier les autres, pour qu'elles ne sentent pas, qu'on sente pas que c'est tout juste des idées d'un groupuscule de femmes et que peut-être qu'il y a d'autres organisations qui sont intéressées. Hmm. Donc, au début, on a eu des, difficultés parce que ce sont les autres qui, qui font venir d'autres organisations hmm. et au fur et à mesure, le groupe s'est élargi. Mais au début, c'était tout juste un groupe de trois ou cinq organisations. Ah, vous n'avez pas, pas été confronté peut-être à des, à des, à des résistances peut-être de certains hommes non, au contraire. Nous avons été épaulés par des hommes qui ont, été des personnes de ressources pour notre groupe Initiative Femmes. Franchement, là, je peux vraiment remercier des consultants comme euh, Abdelkarim Mamelo, comme le professeur Issa, qui, était le, qui est le consultant pour la, politique foncière, qui ont tout. Chaque fois, quand on a besoin d'eux, ils sont avec nous. Monsieur Jibo, euh, dans ce processus que vous avez conduit, euh, avec euh, toutes ces étapes que vous avez citées, quelles étaient les principales difficultés auxquelles vous, vous étiez confronté Bon, les, les premières difficultés, c'était d'abord euh, la compréhension des autres collègues là, de l'opinion de la société civile. Hein. Parce que malheureusement, la société civile, euh, son rôle, c'est effectivement d'attirer l'attention des gens, c'est de sonner l'alerte, c'est de faire des propositions concrètes. Bon, il arrive euh, à ce que parfois notre vision et la vision du politique parfois diffèrent. Alors, euh, ça, c'était le premier, le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'était les moyens financiers. Euh, ce qu'on a déploré, c'est que tout au long du processus, c'est que ça a été soutenu par euh, des partenaires. Des partenaires privés. Par des partenaires financiers, mm. notamment GIZ, la FAO, l'Union européenne. Il y a eu véritablement beaucoup de partenaires Mais on aurait souhaité que l'État du Niger euh, mette aussi un peu de moyens, parce qu'une politique nationale, euh, une politique foncière qui est la base de notre développement, euh, <coughs> quand un État ne met pas de ressources dans ça, ça nous a effrayés, ça nous a pas donné, hmm. en tout cas, des marges de manœuvre, parce que parfois, le processus, si on veut conduire le processus à notre manière, le fait que c'est les partenaires qui financent ça, font que, bon, il y a des obligations. Euh, parfois, on est obligé d'aller vite, on est obligé de suivre l'agenda, l'agenda des partenaires ou les déshydratats des partenaires. Alors que si c'était les moyens de l'État, on avait plus de possibilités de manœuvre, on avait plus de possibilités, en tout cas, euh, de faire plus. Mm. L'autre, l'autre difficulté que nous avons connue, c'est que euh, le, monde rural ou la société civile on a le taux d'analphabétisme qui est très élevé. Hmm. Et parfois, les rencontres se font dans des langues nationales, euh, c'est-à-dire c'est en français. Alors, il faut prendre le temps de pouvoir... Euh, de trouver les bons mots. trouver les bons mots et, surtout les mots juridiques, parfois, c'est pas très facile. Euh, et faire en sorte que la population aussi puisse participer c'est pas c'est pas très facile. Et les rencontres généralement c'est deux jours. Hmm. Alors si on doit mettre la traduction dedans, des documents en français, c'est pas c'est pas très aisé. Et surtout parfois c'est des documents volumineux. Le temps de pouvoir échanger avec la, la base, remonter les informations, ça pose énormément de de, de, problèmes. Hmm. Bon ça c'est ça c'est vraiment les, les, difficultés majeures que nous avons euh, rencontrées. Bien, alors euh, nous sommes déjà dans la dernière partie de cette émission comment atteindre les résultats escomptés de la politique foncière rurale du Niger aujourd'hui Avec quels moyens il, Si on veut véritablement atteindre les objectifs, c'est qu'il faut que tout le monde s'engage à mm. suivre pour que le document soit adopté. Mm-hmm. Parce que on va beau crier si le document n'est pas adopté, ça veut dire que c'est peine perdue. Une fois qu'on adopte le document, mm. le document à lui seul, il n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait des décrets d'application. Mm. Donc il faut que on met les moyens. C'est vrai que j'ai oublié aussi de rappeler que cette fois-ci, on a essayé de rehausser un peu l'ancrage mm. l'ancrage euh, du, du code rural qui est chargé, euh, en tout cas, d'animer ce processus-là. Mm. Alors, c'est c'est de l'ouvrir, de lui donner, les, de lui doter d'assez de moyens, mais au niveau de l'ancrage aussi, essayer de trouver un ancrage qui puisse lui donner une force mm. permettant en tout cas de conduire le processus. Donc, j'ai rappelé qu'il faut qu'il y ait des déclés d'application, mais il faut aussi que ceux qui refusent hmm, d'appliquer les, textes, qu'ils soient aussi sanctionnés. Mm. Parce que si on ne sanctionne pas, ça veut dire qu'on va avoir des documents qui sont là, mais qui ne permettent pas de régler les problèmes. Donc, une fois qu'on a la politique, une fois qu'on a les documents d'application, une fois qu'on dote, l'État dote aussi les gens des instruments, parce que euh, y a normalement une juridiction qui doit s'occuper de toutes ces questions foncières-là. Qu'on ait des juges capables, hein, qui sont formés en la matière pour que euh, les, litiges, là, ils soient en mesure de pouvoir les régler. Parce que malheureusement, tout ce qu'on a là, mm. c'est des choses que nous avons euh, héritées de, de, l'extérieur. Parfois, ce n'est pas adapté à notre contexte, mais qu'on ait des magistrats formés à la matière. Dans le domaine du monde domaine de la gestion de, ces conflits-là, mais aussi dotés euh, des autres segments, c'est-à-dire la chefferie traditionnelle. Il faut renforcer leurs capacités, euh, les, collectivités territoriales vraiment tous les acteurs qui sont, qui sont impliqués, il faut qu'on renforce leurs capacités, il faut qu'il y ait des cadres de dialogue Hein, à la hauteur, hein, parce que la question foncière, c'est une question importante. Hmm. Donc j'imagine que l'État doit doter hein, de, ce, de ce mécanisme-là véritablement des gens, des hommes capables, des moyens nécessaires, mais mettre en place un système de veille hmm. pour que tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été discuté soit accepté et soit mis en œuvre. Hmm. Alors l'autre élément, c'est aussi de renforcer la capacité de la société civile qui a un rôle aussi de veille, qui a un rôle, en tout cas, de pompier, qui a un rôle d'information et de diffusion pour qu'on soit en mesure à la fin de, de, retourner le document pour que les gens s'en approprient. Parce que si la population ne s'en approprie pas du document, ça veut dire que bon, on a un document qui est là, mais qui ne permet pas, en tout cas, d'atteindre les objectifs il nous faut combien ou bien il vous faut combien de ressources pour, pour la mise en œuvre de, de, cette politique ambitieuse Ça demande combien de milliards euh, Bon, je, je, ne peux pas ici <laughs> et maintenant vous dire... Les questions euh, d'argent, c'est voilà. Mais ce qui est sûr, il faudrait qu'il y ait des ressources humaines, il faut qu'il y ait des moyens euh, conséquents, c'est-à-dire les ressources financières, mais les équipements, parce que ça a besoin d'outils. Il faut que le document soit traduit en langue. Il faut que ce document-là soit mis à la disposition de la population et il faut qu'on renforce la capacité de la population pour que les organisations de la société, comme elle l'a dit, bloc par bloc, retournent vers la base informe la base, renforce la capacité de la base pour mieux défendre leurs intérêts. Parce que si tu veux défendre ton intérêt et que tu ne connais pas ton droit, ça va être extrêmement difficile. Donc il faut connaître le droit et le devoir. Pour finir, quels sont en gros les facteurs qui peuvent concourir à la réussite totale de, cette politique Oui, d'abord, c'est cet engagement politique-là qui, qui que nous avons eu au début. Il faut que cet engagement-là soit maintenu. Le deuxième élément, il faut qu'il y ait des ressources permettant de mettre en œuvre euh, cette politique. Ressources humaines, ressources, financières, il faut qu'il y ait un mécanisme de communication adéquat. Il faut de la cohérence. Il faut éviter de, suivre, en tout cas, d'autres agendas. Nous avons aujourd'hui une politique. Il faut que tout s'intègre dans cette politique-là. Il faut éviter hein, d'émietter cette politique-là, hein, faire des petits segments hein, de gauche à droite. Il faut que tout s'intègre. Il faut mettre en place un système de veille pour éviter qu'on sorte de ce cadre-là. C'est un cadre que nous avons accepté, nous avons élaboré ensemble. Il faut que les gens s'intègrent dans cette politique-là. Et il faut que l'État joue son rôle régalien. Bien. Nous donnons la parole à Madame Hima Fatima, secrétaire générale du RDFN. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour réussir la mise en œuvre de, cette politique euh, foncière du Niger. Donc, euh, ce qu'il faut pour cette mise en œuvre, on ne doute pas de, la volonté politique de l'État, parce que si cette volonté politique n'existe pas, nous n'allons pas arriver à l'élaboration euh, de ce document, mais on veut que cette politique, ce, cette volonté politique, qu'elle suive encore le document. Et vous avez demandé que la, la, politique, elle va coûter combien de milliards. Donc, pour le moment, on ne peut pas faire un plan d'action pour ce document parce qu'il est toujours à l'état de consultation. Au niveau de la population, les consultations sont terminées. Maintenant, la consultation reste au niveau du gouvernement, au niveau du CESOC, au niveau de, l'Assemblée nationale, du, euh, voilà, du Conseil économique et social. voilà. Une fois que euh, ces, tous ces organes ont amendé le document, une fois qu'il a, il a été adopté au niveau de l'Assemblée nationale, ensuite on va faire le plan d'action. Le plan d'action, il il va se présenter de quelle manière Sous forme de programmes septonaux. Donc, euh, chaque, euh, chaque axe euh, donc contient plusieurs activités et les activités seront déclinées sous forme de programmes septonaux. Mm. Donc ce qui veut dire quand vous dites septonaux, ça veut dire quoi par sept ans vous voulez Non, pour sept ans. Ouais. Et donc, euh, il y aura des programmes qui vont, qui vont durer sept ans, chaque programme. Mhm. Donc, il faut que l'État s'investisse pour trouver les moyens. Mhm. C'est là où les milliards vont tomber. Effectivement, c'est là où on attendait les, milliards. oui, oui. Donc, euh, la commission n'a pas encore fini le travail puisque on attend d'abord que le document soit complètement euh, amendé pour qu'il y ait le, pour ait un document définitif qui va, qui devrait passer à l'Assemblée. À partir de là, maintenant, on va faire le plan d'action. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous estimez votre travail fini ou bien vous pensez que, ou bien il y a d'autres activités, notamment de lobbying, euh, de, de, communication avec les autres acteurs où le document va désormais passer? Notre, travail n'est pas encore fini parce qu'il reste à faire le plan d'action qui sera budgétisé. Mm. Et nous, en tant que société civile, on va, on va faire un plan de communication on va faire un observatoire. Mm. Et cet observatoire, il va suivre ce document, il va suivre d'abord ce document jusqu'à son adoption, mm. et après son adoption, on va suivre aussi la mise en œuvre de mm. ce document-là. Puis si nous nous sommes engagés, c'est pas pour être des figurants, c'est pour qu'on ait quand même des résultats, et pour qu'on présente des résultats. Pour présenter des résultats, il faut qu'on suive ce document-là jusqu'à dans sa mise en œuvre. Donc c'est pour vous dire que le travail, c'est maintenant qu'il va commencer. Sur quoi vous terminez aujourd'hui aujourd'hui, euh, vous clôturez cette, euh, ce large échange, en tout euh, cas, autour de cette politique foncière donc, on continue toujours les échanges parce que il faut qu'on donne l'information, il faut que les informations. On n'a même pas commencé parce que c'est maintenant que nous, on va commencer les informations sur les médias. Hmm. Voilà. Pour pouvoir vulgariser, euh, il faut qu'on vulgarise ce document-là. Ça ne sert à rien de faire le document. Les gens qui devraient l'appliquer ne le connaissent pas. Hmm. Il faut qu'il soit, euh, euh, il faut qu'il soit traduit dans les langues. Et là, c'est le travail de la société civile et des services techniques pour pouvoir euh, faire euh, vulgariser le document. Donc le travail, il, doit commencer à partir de là. Et ensuite, dans sa mise en œuvre, il faut qu'on dise qu'on est arrivé à telle étape et à quel pourcentage euh, il a été exécuté et quel autre pourcentage reste à être exécuté, où on est et où on va. Tout ça, là, il faut que les acteurs, qui sont les paysans, les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs, tout le monde paysan, qu'ils soient au courant de tout ce qui se passe. Mais d'abord, il faudra que que ces documents soient d'abord adopté au niveau du gouvernement, ensuite euh, au niveau de l'Assemblée. Effectivement, c'est ça qu'on attend. Mais avant d'arriver là, il faut, nous, on va suivre aussi tout le cheminement, tout le processus avant qu'il arrive au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça, est-ce qu'il a été adopté, qu'est-ce qui a été changé, qu'est-ce qui a été ajouté, ainsi de suite. Donc là aussi, c'est le travail de la société civile de faire ce suivi. On a, donc notre travail continue. On fait le suivi, on suit encore le document qu'il arrive jusqu'au niveau de l'Assemblée à son adoption. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'est sur ces mots que prend fin le forum d'aujourd'hui sur les objectifs, processus et moyens de mise en œuvre de la politique foncière du Niger. Euh, voilà, je le disais, la politique foncière du Niger, nos invités l'ont euh, en tout cas évoqué, c'est un cadre fédérateur qui, qui prend en compte les aspirations des différentes couches euh, de la société du Niger en matière de foncier rural. C'est un document qui apporte de la cohérence entre les différentes politiques sectorielles du domaine du monde rural et qui sécurise aussi les propriétaires terriens, notamment les femmes, les jeunes et certains groupes vulnérables. Je rappelle aussi cette aspiration voulue par les différents acteurs, notamment un engagement fort, un engagement politique fort pour l'adoption, d'abord au niveau du gouvernement, ensuite à l'Assemblée, et aussi la prise en compte de certains documents et textes pour sa mise en œuvre. Merci à tous. Nous étions en compagnie de Madame Hima Fatima, qui est secrétaire générale du RAS Rassemblement démocratique des femmes du Niger, et Jibo Banya, président de la plateforme du Niger. Présentation à la sainte cousine Mamadou, volet technique assuré par Hussein Isaac.